ndeysaan Ousmane Sonko waa Baba Ndiaye ñoo ngi lay tàggatoo ndeysaan Ousmane Sonko ndeysaan waa Baba Ndiaye ñoo ngi lay jaajëfal lay ndeysaan gis nañ li nga def suñu boor mi ngi président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ñoo ngi

C'est pour cela que le président Ousmane Sonko a tenu à entrer ici à Taïbaniaï. Taïbaniaï, file nous d'or lacrymogène de 18h à 21h. Nous coincez nous Dernière étape, Nemekoutou. C'est historique et surtout c'est une victoire de la démocratie sénégalaise. Taïbaniaï est là. Le président Ousmane Sonko est là. Nous le won. Nous avons avec les honneurs s'affronter à quoi Taï Ndiaye Taïba est là et c'est exceptionnel ça sera le cas à Tivaouane tout à l'heure chaque étape chaque mètre carré à on nous a lancé des lacrymogènes pour la démocratie Parce que les patriotes les patriotes les résistants les combattants c'est notre heure de gloire Taï, on va voir tout le monde on va remercier tout le monde et le président Ousmane Sonko dina fonté avec askan Bikogum, d'une gëm dina avec ak Sénégal mi c'est une campagne exceptionnelle qui se prépare inch'Allah Maman moo la sécurité est là la presse est là une campagne exceptionnelle elle aura lieu ici Fini, telle nuit la on va à Tchouawon et après Tchouawon, nous serons bien sûr à Thiès pour un méga meeting nous pas préparé na avons, les patriotes une campagne extraordinaire une campagne électorale unique avec l'unique et l'exceptionnel le président Ousmane Sonko bien sûr mais non le président dans son véhicule acclamé la foule la foule foule, ngi foule, la ngi la foule, l'historique la résistante la la dernière étape du la Tour après l'arrestation de Fadilou Keïta et de tous les autres la ngi la Taïba bien non on démarre l'étape de Taïba comme le malin leen tout à l'heure c'est une étape historique que le président Ousmane Sonko a tenu à faire ñëw ba ci place bi ñëw ba ci mausolée bi ñëw fiñ ko ba ndam li ñëw tay on se rappelle de ce soir 18 h bobu, timis bobu, président retiré wu ci mausolée bi pour julli timis lacrymogène yi di wa tay Taïba Ndiaye ñu tej leen ci seen ay kër ñom ñëpp ñu mujjé génn pour acclamer le président Ousmane Sonko c'est un retour triomphal ici à Taïba ici à la place de Taïba Ndiaye fii nga xamante ne moo dernière étape notre tour avant l'arrestation et de Fadilou Keïta du président Ousmane Sonko et de tous les autres résistants des patriotes Nous ni tey bu ñu nee tey démb moo et suñu démb dañ koo xeex ba mu mat de suñu démb dañ fier et c'est ça Pastef les patriotes Pastef les patriotes Nyongi Taiba Taïba Nyawa ngi et dès ce soir Inch'Allah, vous aurez une formule vous xamante ne euh, yu mucc couverture médiatique bi on sera au rendez-vous comme toujours avec le président Ousmane Sonko après Tivaouane le département de Tivaouane en format caravane ñoo ngi Thiès Inch'Allah, à la place euh, Nation fi nga xamante ne foofu le méga meeting de Thiès où le président Ousmane Sonko va a le message pour tout le pôle bi nga xamantene moy pôle bi est le ñi nga euh, département bu Tivaouane moy les industrie phosphate bi maraîchage bi agriculture bi euh, industrie extractive yep. inshallah le président Ousmane Sonko dina wax euh, li nga xamantene modi gouvernement bi mbébet régime bi vous euh, et il faut que nous pas qu'on se donne rendez-vous là-bas à à partir de 17h Inch'Allah euh, Nous dans le département de parce que nous sommes patriote c'est exceptionnel mais l'essentiel sera cette communion entre Les nga communion entre le président Ousmane Sonko et son peuple et ça va se faire euh, durant 21 jours tey que nous commencé le et on se donne rendez-vous euh, très bientôt tout à l'heure c'est scotché partout au Sénégal et dans la diaspora chaque minute chaque étape am ko vivre inshallah sans oublier les insights sans oublier euh, yeneen l'équipe équipe digitale Bimiko et l'équipe euh, communication le président mais aussi ñom ñoo Dakar et on va vous faire vivre euh, cette campagne électorale donc on se reprend dans quelques minutes à tu inchallah